Tape w suivi de Colo d'accord École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. École Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà un exemple qu'on a. On demande de calculer le pourcentage de chaque élément dans la molécule dont la formule brute est C5H10O. Donc, dans cette molécule, il y a 5 atomes de, de carbone, 10 atomes d'oxygène et 1 atome 10 euh, atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Donc réponse. C'est simple, nous allons juste appliquer la formule. Donc, on a dit pourcentage de carbone est égal à 12x divisé par la masse molaire de A multiplié par, 100. Maintenant, regardez bien. X, ça représente dans la molécule CXHYOZ, donc X représente le nombre de carbone. Donc ici, le nombre de carbone, X est égal à 5. Donc on ne fera que remplacer X par 5, on fera 12 fois 5 divisé par la masse molaire, comme on l'avait calculé tout à l'heure, c'est égal à 76. On l'a déjà calculé. Euh, donc on met ici 76 et on le multiplie par 100, ce qui va nous donner 78,9%. On peut même l'arrondir à 80%, donc nous allons dire que le pourcentage de carbone est égal à 80, dans la molécule. On prend celui de l'hydrogène, on va faire pourcentage d'hydrogène dans la formule c'est Y divisé par la masse molaire de A multiplié par 100. Donc c'est égal à. Pour l'hydrogène, Y ici est égal à 10. Donc on prend 10. La masse molaire c'est toujours 76. On les multiplie par, 100. Et ceci nous donne 13,1%. Donc le pourcentage de l'hydrogène est égal à 13,1%. Maintenant, le dernier, c'est le pourcentage d'oxygène, on avait dit que c'est égal à 16Z divisé par la masse molaire de A multiplié par 100. Donc ici, pour oxygène, Z est égal à 1. Donc on remplace Z par 1. On aura 16 multiplié par 1 divisé par 76 multiplié par, par 100. Ce qui donne 21, 21%. Donc, le pourcentage de l'oxygène est égal à 21, Donc, voilà les trois pourcentages qu'on avait demandé. Carbone, hydrogène, que l'on peut arrondir à 13 net, que arrondir à 13 net, et celui de l'oxygène qui sera égal à 21. On demande de calculer le pourcentage de chaque élément dans la molécule de la dont la formule brute est C5H10O. Donc c'est l'exemple qu'on avait depuis tout à l'heure, depuis le début. Donc je à faire une petite précision, une petite rectification. Tout à l'heure, lorsque je calculais la masse molaire avec l'autre exemple, je m'étais trompé en mettant 76, mais c'est 86. Donc c'était une erreur de, calcul que je fait. Donc de ma part. Donc, c'est 86 au lieu de 66. Maintenant, on va directement répondre à la question, c'est-à-dire le calcul du pourcentage de chaque élément. Donc, pour cela, on a besoin de la masse molaire. Donc, je l'ai donné tout, euh, directement dans la calcul. Maintenant, pour le pourcentage, pourcentage de carbone, on va juste appliquer la formule. On dit que c'est égal à 12x sur la masse molaire multiplié par par A. Donc ici, X, c'est le nombre d'atomes de carbone. Donc dans notre exemple, dans la formule brute, on voit que X est égal à 5. Donc ici, c'est le nombre d'atomes de carbone, c'est égal à 5. Donc je vais, je vais, faire 12 fois 5, divisé par la masse molaire, c'est 4,26, multiplié par 100. Et ça donne 69,7%. Voilà, donc le pourcentage de carbone est égal à 69,7%. Pourcentage de l'hydrogène, on fait la même chose, on, fait, on, on ne fait qu'appliquer la formule. C'est Y divisé par la masse molaire multipliée par, 100. Et on va faire donc Y, pour notre exemple, c'est égal à 10. Donc on prend 10. Masse molaire, c'est 86. Multiplié par 100. Et ça nous donne normalement 11,6%. Donc, le pourcentage en hydrogène est égal à 11,6%. Maintenant, le dernier élément, c'est le pourcentage de l'oxygène qui est égal à, d'après la formule, CZ sur la masse moyenne de A multiplié par 100. On applique donc pour notre cas ici, pour la forme plus 16 Z est égal à 1. Donc on va mettre 16 multiplié par 1 sur la masse molaire c'est 86 euh, et on le multiplie par, par 100 ce qui va donner normalement 18,6% et voilà donc nous avons un pourcentage de l'oxygène égal à 18,6% et on vient de répondre à la question. Nous avons calculé le pourcentage du carbone, le pourcentage de, l'hydrogène et enfin le pourcentage de l'oxygène. On ne fait qu'appliquer la formule et calculer. Maintenant, vous pouvez vérifier que la somme de ces trois pourcentages fera 100 ou bien ça fera 99,9 ou bien 99,98 comme ça. Pourquoi Parce qu'on a fait des approximations avec les virgules. Donc les chiffres qui viennent après 6 et 7, on a laissé comme ça. C'est pour cela que si vous faites la somme, vous pouvez tomber sur 99,9 ou quelque chose comme ça, et qu'on peut arrondir à 100%. Donc voilà ce qui met à terme la leçon, et je vous remercie. Jana tu gyaru ba sonu manga jangale gita do bushe do faiwa Nga elef ta tonu ci exam linga sala am da fita mugana Asure kolo